taw bi la ñu war a bàyyi dafay daal di taxaw même booy daw nag nga yaakaar ne da ngay sauvé wu foo côté boobu la ñuy daal di taxaw rek di euh, di sandaal dina na lakki mooy di ñaawlu nag sànq suñu concert bu daanoon fële parce que dafa doon daw rek ñu daal ko tiimal encore gën a lakki mooy tiitaange boobu nag mu daal di mbëkk euh, barrière boo ni daanoon si wetu boutique boobu noonu donc kon di ko daal di euh, bu baax a baax alors il faut que ñun journaliste yi ni moment bo bu de l'ordre di commencé téléphone. Alors, na leen am fii voilà donc moom it neen daf bëgg a fekk gars yi fële ndax Déthié Fall mooy def foofu waaw il faut que ça rentre là-bas ouais c'est très bien il faut parler avec les gens waaw waaw gis nga ni ñëw nañu ak jàmm loolu rek mën a defee muy seet si Ousmane Sonko parce que gis ngeen li muy daj fan yi yëpp ci Sénégal fi nekk lu ñaaw la ñu koy def nom de son parti parce que bokk ci Yewwi Askan Wi muy jógee Ziguinchor di ñibbi si ñu koy kaas di ko gazé ba mu am ci xalé bu ci faatu démb nag ñu enlever ko euh, en toute illégalité parce que ministre de l'intérieur li mu wax bu caaxaan la parce que bu fekkente ne nit dafa def euh, délit dama koy japp ay am di jàmmam ay xaritam. ñu ngi liggéey on est dans l' arbitraire on dans l' arbitraire. y' a pas de loi qui permet ça code amul dara lu ko def. li ñuy def jaay doole la. li ñuy def def lu leen neex la. li ñuy def teyeef la. booy jël nit di ko tëj ni du génn. brimer ko barricader ko bloquer ko décision de justice la loolu juge koy décider mm-hmm. bu que dañu ñëw dañ ko dem jappé mu violer loi mais ku violer loi les la jappé dañ la yóbbu commissariat mm-hmm. wala gendarmerie mm-hmm. ils n'ont pas osé le faire parce que ñu ni tej nañu Ousmane Sonko wuñ ko mais alors bu qu'ils il osent pas assumer ça qu'ils viennent libérer sa maison ñu bayiko ko parce amuñu ci droit li ñuy def c'est de l'arbitraire s'ils n'ont pas le courage d'assumer que dafa violer loi dañ koy tëj kaso ñemewuñu def loolu mais alors dañu ubbi son quartier bàyyi njabootam surtout parce que li ñu koy def du rek c'est sa famille ses enfants qui ce pour ci fait c'est de la violation et c'est de l'arbitraire de tyrannie la tyrannie. Mm. il faut que ça cesse et c'est maintenant que ça doit cesser il faut faire maintenant merci beaucoup merci merci

di ko di ko teg askan wi lii dafa ñaaw ñu ngi nii maa ngi wax ak yow ñu ngi ñuy chargé ñun amuñu droit manifester amuñu droit dox amuñu droit wax comme si ay sous citoyen lañ suñu biir réew loolu moo normalu te loolu duñ ko mus nangu président Macky Sall ak ñi mu àndal ñëpp nañ ko xam bu yeboo ñu gazé ñu bu yeboo ñu rey ñu bu yeboo ñu tëj ñu mais ñu duñu mus nangu di vivre si injustice injustice boobu te force de l' ordre yi dañ delloo si seen xel benn nit koo xam ne dafa bëgg a nekk fii buur koo xam ne nit yi dañ ko génnoon fal ko mu teg boppam buur léegi warul tax ñoom ñuy ñoom ñuy wayadiloo seen bopp nii ñun ay gendarmerie ay police lañ leen yàgg a respecté parce que professionnalisme lañ doon doxee mais léegi soo gisee ñi ngi ay bandi ñoom ak bandi yi benn benn benn benn différence te loolu dafa ñaaw ñun suñu gisee lii suñu xol day jeex mais nag nous abandonner, abandonné découragé Le président Ousmane Sonko il a le droit de sortir ay famille ils ont le droit de sortir Nous, les collaborateurs ak ay nous avons le droit de sortir. si nous que dëkk est li normal Inch'Allah, tant que amuñu nous on va continuer le combat. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വരവാണ് ഏർപ്പാട്

je génn nañu ci rond point bi waa ji léegi mu chargé leen ndax euh, mu ngi commencé monter li nga xam ne mooy euh, grenade bi ci euh, arme bi léegi léegi mu chargé ñi taxawoon foofu eh,

ñu ngi ñu ngi daw sànni nañ grenade yi seen kaw ñu nekk ci kanam tam ñu ngi attaqué voilà ñu nekk ci kanam tam ñu ngi ñu ñu ngi mobilisé di gendarme bi ñu ngi daw ngi dem ñu ngi dem jël euh, seen position ñu ngi dem jël seen position ndax

Olga mu envoyé la plaque manifestation A221, une autre vision de la télé.